was warm. Es was warm. Es was warm. Es was warm. Bonsoir à vous, messieurs, dames, il 18h15 dans ce studio et partout au Niger. Vous nous suivez en direct sur le studio Kalangu. Moi, c'est Diallo Mariama Kenda. Comme tous les mardis, vous êtes à Espace Femmes, un rendez-vous réservé aux thématiques euh, femmes. Bienvenue. Euh, sachez que le thème de ce soir, c'est le harcèlement sexuel des femmes euh, dans le milieu du travail, cas des femmes des médias et cas des femmes entrepreneurs. Selon la présidente de l'ONG Tanadi, Madame Ilyasu Awa Issouf, une organisation qui lutte contre la pauvreté, les droits et la migration de la femme, ce sont des milliers de femmes qui sont victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de leur travail et dans le milieu scolaire. Madame Iliassou Awa Issouf a également ajouté que beaucoup d'entre elles cèdent de peur de perdre leur emploi et certaines finissent quand même par euh, le perdre faute de dénonciation ou par méconnaissance des tests juridiques. Qu'est-ce que le harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de leur travail Est-ce une violence faite à la femme que doit faire une femme victime de harcèlement sexuel sur le lieu de travail Que peut voir euh, la loi en matière de harcèlement sexuel, quelles sont les dispositions à prendre pour lutter contre le harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail. Ce sont là les grandes questions de ce débat que vous suivrez pendant 45 minutes. C'est notre temps d'antenne. Afin de mieux conduire ce débat, nous essayerons en premier lieu de cerner l'ampleur du phénomène dans notre société. Dans la deuxième partie, nous dévoilerons la stratégie nationale en matière de violence faite à la femme et les voies de recours en cas de harcèlement sexuel de la femme sur le lieu du travail. Pour finir, nous verrons quelles sont les dispositions à prendre pour lutter contre le harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de leur travail. Pour en débattre, je reçois pour vous dans ce studio Madame Iliassou Awa Issouf, présidente de l'ONG Tanadi, une organisation qui lutte contre la pauvreté, les droits et la migration de la femme. Bonsoir Madame Iliassou Awa Issouf. Bonsoir Madame. Alors Madame Tamponé Safiatou, elle c'est la directrice de la promotion du leadership féminin au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Bonsoir Madame Tamponé Safiatou. Bonsoir. Et Maître Ould Salem Mustafa Saïd, avocat à la secrétaire général donc, de l'Association des jeunes avocats. Maître, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous, cher invité, d'avoir effectué ce déplacement. Voilà, mettons tout de suite le pied dans le plat, comme on le dit. Maître Saleh Mustafa Saïd, la première question vous revient. Comment définir le harcèlement sexuel merci pour l'invitation et pour l'occasion que le studio Kalango nous donne pour débattre de ce thème qui est très important. Donc, la définition du harcèlement au niveau juridique se retrouve dans le code pénal applicable au Niger, surtout au niveau du chapitre 8. Le chapitre 8 en entier, il traite de ce qu'on appelle les attentats aux mœurs. Donc il y a beaucoup de, dispositions, mais surtout à la section 2 de ce chapitre, l'article 281, il définit le harcèlement sexuel comme suit. C'est le fait de harceler autrui en usant d'ordre, de menaces ou de contraintes dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Donc ça, c'est la définition. Je ne sais pas si aussi vous avez besoin de la sanction parce que le article prévoit euh, les sanctions prévues en cas de... Alors pour, la sanction, on va bien sûr venir sur cette sanction parce que ça, c'est dans la deuxième partie. D'accord. La sanction peut-être, c'est les voies de recours. Quand on va parler de voies de recours, ça voilà. Madame tamponier Safiatou, je disais qu'elle est, la directrice de la promotion du leadership féminin au ministère de la promotion euh, de la femme, de la protection de l'enfant. Qu'entendriez-vous par harcèlement sexuel de la femme Là, on est vraiment dans un un cadre restreint, c'est le harcèlement sexuel de la femme. Et ce qu'on entend par harcèlement sexuel, c'est vraiment quelqu'un qui, qui a une position sociale et qui vraiment, pour rendre un service à une fille ou à une femme, fait des avances à, ces dernières tout en utilisant son pouvoir. autorité. Alors, maître, est-ce que si on ajoute harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la définition change non, la définition ne change pas, effectivement. Euh, mais l'article que je viens d'évoquer, l'article 281, euh, dans ses dispositions, vous allez voir, mais c'est au niveau des sanctions. D'accord. Il fait, la part des choses, il fait la part des choses entre mhm. un simple harcèlement mhm. et maintenant un harcèlement commis par, euh, sur le lieu du travail par un supérieur hiérarchique à l'égard de ses subordonnés. Là, l'article va essayer de plus détailler les choses. Mhm. On est d'accord. Alors, euh, nous allons poursuivre ce débat qui peut être auteur de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et, euh, la victime, bien sûr. Comment On est toujours avec Maître euh, Ould Salem Mustafa Saïd. Effectivement, comme l'a dit Madame la directrice, même si l'article ne le précise pas, logiquement, il y va du soir dans la plupart du temps. C'est la plupart du temps quelqu'un qui a une position dominante, entre guillemets par rapport à la victime. C'est quelqu'un qui se retrouve dans une situation où il peut rendre service euh, à la victime, où l'avenir de la victime y dépend. Euh, Donc un patron, euh, un, chef hiérarchique. logiquement, ça, ça, ne sort à 99% des cas même de la pratique qu'on a eu, c'est toujours dans ces cas de figure. Madame euh, awa donc vous êtes la présidente de l'ONG Tanadi, cette organisation qui lutte contre la pauvreté, les droits de la femme et la migration. Oh, on sera plus avec vous dans les droits de la femme <laughs> dans ce débat. Alors, euh, vous avez rencontré ces victimes, euh, vous avez parlé avec beaucoup de femmes parce que vous nous avez dit lors de notre entretien qu'on a eu euh, en préparant ce débat que des milliers de femmes sont victimes de harcèlement sexuel et quand elles vous parlent de ce harcèlement sexuel sur le lieu de travail, les auteurs pour vous et merci beaucoup de me donner la parole. Donc moi, la majorité des cas que j'ai eu à rencontrer, ce sont des filles. Et ces filles-là, il y a eu des avances de leur patron qu'elles ne voulaient pas dévoiler le risque de ne pas perdre leur emploi. Elles ne savent pas de fois à qui se confier. Si elles osent aller porter plainte, ça va éclater et elles vont perdre leur poste. Alors, on n'en est pas encore là à la porte. Mhm. La majorité des, des ce qu'on euh, ce sont les filles qui viennent en pleurant demander conseil. Alors donc, elle ne parle pas par exemple de ce harcèlement euh, entre collègues, mais la plupart du temps, c'est donc les patrons, les chefs. C'est les responsables. Mais il y a quand même peut-être des, femmes ou des filles qui se plaignent de harcèlement de la part de leurs collègues. Madame euh, donc Safiatou, euh, est-ce que vous, vous en avez aussi rencontré J'ai entendu les gens en parler. Vraiment, c'est des faits qui existent sur les lieux de travail. Mais il y a même, il ne faut pas écarter aussi que les filles même peuvent harceler les hommes. Alors et des cas Oui. Alors, maître, est-ce que c'est des cas rares, le harcèlement on, en parle parce que la directrice de la promotion du leadership féminin au ministère de la, promotion de la femme et de la protection de l'enfant l'évoque. Vous avez rencontré des cas Effectivement, et comme on dit, moi je préfère qu'on parle de, comme, euh, dire le principe, c'est les femmes qui sont victimes. Mais il n'y a pas de principe sans exception, il n'y a pas de règle sans exception. Il y a beaucoup d'exceptions où c'est les filles qui, qui provoquent des fois les, les hommes. Mais vraiment, dans, dans la pratique, nous, ce qu'on voit sur le terrain, si on doit faire en termes de pourcentage, ça ne peut pas dépasser au maximum 5% euh, et les 95% concernent euh, Donc, dans la pratique, les femmes sont plus les victimes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Ça, j'en suis formel <laughs> là-dessus. Alors, euh, est-ce que le harcèlement sexuel est une question de droits de l'homme. Madame euh, Iliassou Awa Issouf. Euh, Exactement. La semblance sexuelle est une question de droits de l'homme. Elle fait partie de la violence sexuelle, que ce soit exécuté ou pas, ça fait partie de la violence sexuelle psychologique aussi. Madame Tamponi Safiatou, est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans la stratégie du ministère de la promotion de la femme, est-ce que de la protection de l'enfant, est-ce qu'on peut placer l'actuellement sexuel euh, dans le panier des violences faites aux femmes C'est vraiment une violence. Sinon, au niveau euh, national, la prévalence des violences basées sur le genre, c'est 28,4% et les, violences sexuelles tournent autour de 9%, dont 0,9% dans le lieu de travail. 0,9% dans le lieu de travail concernant les femmes. Oui. D'accord. Maître Ould, donc quels sont les domaines ou les secteurs les plus touchés Est-ce qu'on peut dire que tel domaine est plus touché que, que d'autres Dans la pratique, on retrouve le plus souvent ces genres de cas dans deux domaines. Dans le domaine professionnel, dans les services, par exemple, privés comme publics, et dans le système éducatif, dans les écoles, le plus souvent entre enseignants et élèves. C'est vraiment les cas les plus Bon, je me dis c'est parce que c'est les cas où on retrouve le regroupement, la mixité entre les deux sexes le plus sur le plan professionnel dans les services et dans les écoles. Quand je dis service, je parle au sens large du terme, pas seulement service euh, au sens de la bureaucratie, il a aussi le commerce aussi. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire du commerce sans aller dans les banques, sans aller dans, l'administration, dans les ministères, mais aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc c'est grosso modo ces trois cas. qu'on peut, qu'on peut, c'est dans ces trois cas on retrouve beaucoup des cas services, euh, le domaine de l'entrepreneuriat et, le, milieu scolaire. Le milieu mhm. Alors, euh, le harcèlement sexuel dans les médias, ça existe aussi et c'est pour cela que nous avons choisi d'en parler. Les femmes de médias souffrent aussi d'harcèlement sexuel et ça nous l'avons découvert quand nous avons essayé de réaliser cette émission. Nous avons posé des questions et nous allons vous faire écouter un cas a vécu une de nos consoeurs euh, dans un organe de la place. Il y en a des consoeurs qui me font euh, cette confidence, mais il a fallu que je vive cette situation pour comprendre ce que c'est que le harcèlement sexuel. Racontez-nous votre histoire. J'étais journaliste reporter. En ce stade là il y avait vraiment un manque de présentateurs. Donc, euh, mon rédacteur en chef m'a proposé, il a dit de faire rapidement un casting pour combler ce vide. J'ai accepté, comme c'est la production qui doit s'en charger. Maintenant, le responsable de la production, c'était avec lui, on a eu ce problème. Une fois on a fini le casting, il dit qu'il y a des critiques à faire. Et deux jours après, j'étais revenu d'un reportage. Mon téléphone a sonné, et j'ai décroché et le gars me dit viens dans mon bureau vite vite. J'ai dit mais c'est qui Il me dit c'est lui, le responsable production de venir c'est concernant mon casting. J'ai laissé ce que je suis en train de faire et je suis partie. Il m'a dit de rentrer, je suis rentrée dans son bureau. Maintenant, il a dit on va regarder le casting ensemble, il va apporter ses remarques on, on regardait le casting, le gars, il s'est levé et il a commencé à me toucher. J'ai dit, mais, mais, mais, monsieur, c'est quoi ça? Il me dit, non, tu sais que tu me plais. J'ai dit, mais même si je te plais, c'est pas comme ça. Vous avez essayé de l'arrêter? J'ai tout fait. Et j'ai eu honte. Tu ne sais même pas à quel point moi, je ne savais même pas quoi faire. Jusqu'à ce que je n'arrive même pas à lui parler. J'étais traumatisée. Je lui ai dit, s'il te plaît, arrête, j'aime pas ça. Après, quand je me suis levée, j'ai dit, je veux crier ou bien tu ouvres le bureau, je sors. En cela, lui, haché, quand j'étais rentrée, il a fermé le bureau à clé et il a caché la clé. Parce qu'il voulait aller très très loin. En ce temps-là, j'ai commencé à crier. J'ai dit, Wallah, si tu n'ouvres pas ce bureau-là, je vais crier pour que tout le monde puisse entendre. Maintenant, je, pleurais. Je pleurais parce que le jour-là, je ne savais même quoi faire. Parce que le métier même de journalisme, Wallah, c'était une passion au début. Mais le jour-là, j'étais tellement découragée dessus de, ce travail. Maintenant, comment vous pas venir à sortir du bureau mais j'étais obligée de sortir parce que j'ai utilisé la force entre lui et moi là. Je, lui ai dit s'il n'ouvre pas, je vais crier et on va se coigner, lui et moi. Le bruit là, il ne faut pas que les gens entendent. Et il a ouvert le bureau. J'étais sortie. Quand j'étais sortie effrayée, je ne savais plus quoi faire. J'avais un ami à qui me confiait, un collègue. Je lui ai parlé de ce problème. En cela, il m'a dit non, ça va pas rester là dit que cette histoire-là, il faut qu'on raconte ça au, directeur général parce que lui, il n'est pas au courant de ce qui se passe. Le jour-là, quand il m'avait harcelé, il m'a montré par A plus B que même si je parle ça sera une peine perdue parce que le DG là ne va pas m'écouter, c'est sa parole contre, la mienne. Mon confrère, mhm. il est monté dans le bureau du DG, il a appelé le DG, il a dit voilà la situation qui prévaut ici. On a réuni tous les responsables de l'organe, y compris lui, le harceleur là. Il me regardait, il me menaçait dans son regard. Mais le jour-là, je n'avais plus peur de lui. Et pourquoi parce que tout simplement, je me suis dit, bon, si je le laisse faire demain, il va encore répéter ça. Ou bien il va encore chercher une autre fille pour mettre ça dans le bureau. Il faut que ça s'arrête. Et on a posé le débat jusqu'à ce que le DG a dit, il l'a vraiment chassé de la boîte. Il dit que lui, devant cette situation, ne peut pas fermer les yeux, il ne peut pas vous avez été satisfaite, c'est ça J'ai été satisfaite parce que le DG m'a rendu justice. Alors, alors, quel est le conseil que vous donnez aux femmes, aux femmes journalistes qui peuvent vivre ces situations Le conseil que j'ai à donner à ces consoeurs, c'est d'être sereine, d'être trop responsable et vigilante et de dénoncer aussi. Dans l'exercice de tes fonctions, tu n'as pas besoin de te donner à quelqu'un pour obtenir un service quelconque. Non, si tu es compétente, tu vas y arriver. Alors, maître, euh, de Salem Mustafa Saïd, je vais aller très rapidement. Vous avez entendu cette femme. Euh, mais en tant qu'avocat à la Cour, comment peut-on gérer ce type de situation euh, Effectivement, j'ai suivi à travers les faits. Moi, je, décèle, quelque chose pire que le harcèlement sexuel, mhm. tentative de viol qui est carrément criminel. Donc c'est pourquoi moi j'appelle aux hommes d'être très prudents. Du harcèlement sexuel, c'est facile c'est facile d'aller vers la tentative de viol ou le viol lui-même. Moi, tous les cas de la pratique que j'ai eu à gérer des harcèlements qui sont devant moi, j'ai criminalisé l'affaire. Il y a des cas où l'acte sexuel a été consommé, j'ai criminalisé l'affaire, j'ai demandé la saisine du juge d'instruction parce que je considère qu'une relation sexuelle non consentante ou bien dont le consentement de l'un des partenaires a été vicié. Il y a eu vice de consentement. Et un consentement peut être vicié par une crainte, violence, la peur, la peur tout ça là. Vous ne pouvez pas euh, il ne peut pas, l'homme me dire dans ce cas de figure, que le consentement de son partenaire est exempt de, de vice. C'est faux, ce n'est pas vrai. Et Dieu merci, dans toutes les procédures, en tout cas, dès la plainte, le procureur de la République a toujours accepté de nous suivre dans ce sens. Il met directement en instruction et il criminalise l'affaire. Maintenant, l'instruction dira, la justice fera son travail et on saura clairement ce qui ça, se passe. ça aide beaucoup dans le travail que vous faites, euh, peut-être, euh, dans cette lutte contre euh, le harcèlement sexuel. Ça aide beaucoup, effectivement, parce que Hum, euh, euh, le harcèlement sexuel dans les dispositions du code pénal, c'est délictuel, c'est un délit. Donc, il y a des hommes qui peuvent tenter de se dire que ce n'est rien. Le délit, c'est en matière de flagrance délit, on compte te juge, en matière correctionnelle. Souvent, tu peux prendre un souci. le succès est prévu, tu peux prendre juste deux mois, trois mois. Je pense qu'il y a des hommes qui peuvent être tentés de dire que la sanction n'est pas si aussi grave que ça. Mais s'ils savent que de la phase délictuelle, ils peuvent facilement déborder de la ligne et aller dans, la phase criminelle. Je pense que c'est vraiment du dissuasif en matière pénale. Alors, nous allons écouter un autre témoignage et revenir à rentrer dans, vous me poser la question à savoir quelles sont les sanctions ou comment se fait la procédure en matière de harcèlement sexuel euh, de la femme sur le lieu du travail. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui nous rapportent, par exemple, quand elles partent chercher des financements, quand elles partent chercher des partenariats mhm. assez juteux. Donc elles nous rapportent que c'est les personnes auxquelles elles font face abusent un peu de leur pouvoir pour leur faire des propositions malsaines pour pouvoir euh, leur donner ces contrats justement qu'elles cherchent. Et c'est quelque chose qui décourage beaucoup d'entrepreneurs. Personnellement, moi, je sais qu'il y a beaucoup de de femmes qui nous rapportent qu'elles n'ont pas eu accès à ce financement parce qu'elles ont vu déjà l'intention de la personne euh, qui devait leur donner le contrat là et que ça les décourage même d'aller chercher ces, financements-là. Moi, quand j'étais jeune fille, quand on part automatiquement, tu vois que le cadre professionnel se transforme en cadre euh, un peu amical. La personne se permet de glisser certaines choses comme quoi, ah oui, on peut en parler autour de... De tâter, de le terrain. Tâter le Exactement. Il y, il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de ça. Elles ne se confient pas ouvertement parce que c'est un peu gênant de dire que j'ai été draguée par telle personne ou bien il m'a fait telle proposition. Dans le cadre du euh, travail. Indécente. Donc ça fait que beaucoup de femmes, selon toi, Samira Ben, beaucoup de femmes euh, n'arrivent pas à avancer euh, dans, leur travail, dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a ce blocage. bien sûr, c'est un gros blocage, c'est un grand frein. Il y a des maris même qui empêchent leurs femmes d'aller sortir, d'aller demander des financements ou d'aller chercher des contrats, parce qu'ils se disent que dès que tu pars dans un bureau d'un homme, mhm. automatiquement, sa première action serait certainement de te faire des propositions indécentes. Mhm. Mais il y a quand même des confidences, des témoignages qui sont là qui montrent que les femmes sont bloquées par certains comportements de certaines personnes. Ils abusent de leur pouvoir pour bloquer ces jeunes entrepreneurs. Donc, moi, je dirais que c'est la première étape, c'est d'abord de dénoncer. Dénoncer ces personnes qui font ça parce qu'elles n'ont pas le droit de le faire, quitte à ce qu'elles soient virées. Les autres autorités doivent prendre des mesures stratégiques pour vraiment virer toutes ces personnes qui abusent de leur pouvoir pour donner quelque chose, pour donner un poste ou bien un contrat ou un financement à des jeunes entrepreneurs. Ou bien... De deux, il faut sensibiliser toute personne qui a été victime de ça pour qu'elle sensibilise d'autres personnes, pour ne pas qu'elle tombe dans ce piège. Il faut résister il faut qu'on garde notre intégrité pour se dire que seule notre compétence peut nous donner quelque chose. il ne faudrait pas qu'on se laisse faire. Parce qu'il y a des femmes qui cèdent, hein. il y a des femmes qui cèdent, Samira Ben. Je sais, je sais. Il y a aussi des, ces, genres de témoignages-là qui nous ont. On voit des femmes aujourd'hui qui sont, sont placées dans des mhm. institutions ou bien qui ont des contrats très juteux, mhm. mais malheureusement, elles sont passées par, par, genre ces genres de choses-là pour avoir ce contrat-là. Et c'est vraiment dommage. Mhm. Moi, je dis qu'il ne faut pas céder parce que quand on cède, ça donne encore du pouvoir à ce monsieur-là pour, la, pour sa prochaine victime. Alors, quand on écoute tous ces témoignages, on a l'impression que le harcèlement sexuel des femmes sur le lieu du travail est vraiment un phénomène euh, qui, qui est d'ampleur dans, dans, notre société. J'ai l'embarras du choix, mais je vais quand même diriger mon regard vers euh, la directrice euh, de la promotion du leadership féminin au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, Madame Safiatou. Est-ce que le ministère aujourd'hui, on peut dire, a une politique, a une stratégie pour, pour lutter ou défendre, lutter contre le harcèlement sexuel de la femme sur le lieu du travail. Au niveau du ministère, nous avons une stratégie de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre qui prend en compte tous les aspects de violences basées sur le genre. Le plus souvent, nous, notre mission, c'est vraiment la sensibilisation. Alors, si je comprends bien, il n'y a, pas un aspect qui parle uniquement de l'harcèlement sexuel de la femme sur le lieu du travail. C'est donc dans une stratégie euh, nationale, c'est ça Oui, c'est des orientations que nous, nous donnons. Maintenant, les autres mettent en œuvre, comme ah. les Alors, les ONG mhm. et les au niveau communautaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si une femme est victime de harcèlement sexuel euh, sur, son lieu de travail, le ministère, euh, je, veux dire, la direction dont vous avez la charge ne peut, ah, ne peut rien. Nous, on ne peut qu'orienter. Nous, on oriente. Nous, on ne peut pas traiter. Alors, on oriente. Alors, vous, en tant que, je m'adresse à, donc, Madame Iliassou Awa Issouf, vous, en tant que ONG, organisation, donc, qui lutte pour les droits de la femme, euh, que pensez-vous, je veux dire, de cette réponse que vient donner Madame Tamponi il y a sous. L'orientation, c'est comme ça, c'est le ministère. Mais le travail à faire, c'est pas le ministère, c'est les ONG. Et puis le financement, c'est les partenaires. Vous travaillez en collaboration. Oui, on peut, on peut on travaille en collaboration parce que quand il y a une activité, le ministère est impliqué, ils sont invités, les rapports sont partagés entre les partenaires et eux. Mais quels sont les partenaires, où sont les partenaires. Et que faites-vous Et vous exactement dans cette collaboration Voilà, nous, nous essayons d'approcher les partenaires. C'est comme ce que dit une auditrice, qu'est-ce qu'elle a dit Elle a témoigné. Elle a témoigné qu'aujourd'hui, les jeunes ont la facilité d'avoir, malgré les menaces, malgré les avances, d'avoir accédé à certains financements. Tandis que nous, quand nous partons, nous disons, ah ben c'est voilà notre dossier, il va nous regarder, il sait que vraiment c'est une vieille tête là, qu'est-ce qu'il a à foutre avec nous Il va classer les dossiers et alors qu'on savait très bien que c'est nous, les, les, les, mamans, les tantes, les personnes âgées qui peuvent sortir le financement et les remettre aux jeunes pour aller les exécuter sur le terrain. Sensibiliser la population. Il faut qu'on en parle. Aujourd'hui, il y a, c'est trop, c'est trop. Le harcèlement sexuel existe partout. Vous êtes en train de nous dire que c'est parce qu'il n'y a pas de dénonciation que ce phénomène est encore, euh, euh, je veux dire qu'on le constate de plus en plus dans notre société. Oui. Le manque de dénonciation. Le manque de dénonciation. Il faut former, sensibiliser la population aujourd'hui à tous les niveaux, dans les services, partout où, nous, où la personne, la femme y est, que ce soit aux, aux médias, entrepreneurs, services publics ou privés, il faut qu'on commence à former et sensibiliser qu'il y a une procédure à suivre en cas du harcèlement. Alors, une procédure à suivre, vous donnez la parole donc à Maître Ould Mustafa Saïd, qui est avocat à la Cour. Quelle serait la procédure à suivre en cas de harcèlement sexuel d'une femme sur son lieu de travail Effectivement, la procédure à suivre, moi, je pense qu'elle est toute simple. Comme l'a dit, et c'est la dénonciation. Tout fait qui est constitutif d'une infraction à la loi pénale, d'ailleurs même, la loi dit aux citoyens de le dénoncer, quel qu'en soit ce fait. Mais c'est vrai, les gens sont réticents dans tous les domaines. La femme peut dénoncer. Il y a des ONG qui sont là, qui prennent attache avec, il y a un service au niveau du commissariat central de Niamey. C'est une cellule dirigée par un officier de la police judiciaire qui constate les infractions à la loi pénale, qui s'occupe uniquement des femmes et enfants. Donc, la plupart des ONG, je pense, sont au courant de cette cellule. Donc, quand vous mettez en contact cette femme avec cette cellule, elle, elle fait son travail qui remonte jusqu'au procureur de la République. Comme on peut, à travers une plainte, directement saisir le procureur de la République directement. Maintenant, comme je l'ai dit, quand c'est des faits simples du harcèlement, l'irréparable n'a pas été commis. En tout cas, le procureur avisera parce qu'il y a beaucoup de procédures. On peut mettre en flagrant délit quand on pense que ce n'est pas grave, c'est simple. Si on pense que par ce harcèlement, il y a eu des rapports sexuels et qu'on pense que ne sont pas consentis, le procureur saisit un juge d'instruction qui va instruire l'affaire. Ça veut dire que la femme, elle peut céder, mais après, elle, peut, euh, je veux dire, elle, peut porter plainte. Il peut arriver que la femme cède par peur, mais après Oui, euh, effectivement, ça, euh, euh, vous soulevez surtout les problèmes de la prescription de l'action publique. Il faut faire très attention avec ça pour les femmes. La prescription de l'action publique, elle est en matière délictuelle, elle est de 3 ans. En matière criminelle, elle est de 10 ans. Donc, si tu sais que c'est délictuel, il n'y a pas eu de l'action sexuelle, tu ne peux pas dire qu'il y a eu viol. Là, il ne faut pas dépasser 3 ans, il faut porter plainte mhm. devant le procureur de la République. Et là aussi... Il que ce soit prouvé. Effectivement, le problème, ça, j'allais revenir là-dessus mhm. pour faire des suggestions. Vous savez, la justice euh, la justice, elle ne prévoit pas un problème. La justice règle un problème né, certain et actuel qui est né. Mais souvent, il y a des femmes qui voient ça, ça arrive, hein, ça. Voilà, monsieur, est en train de se préparer. Elle ne dénonce pas. Mais là, la, justice, elle ne peut, elle, elle veut des preuves. Mhm. Et il faut que ça soit établi c'est des faits établis. Donc la plupart des temps, c'est consommé. Je tiens à préciser les peines de condamnation là. Il ressort de l'article 281. Mhm. Après la définition, on dit, est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA. Euh, l'article continue en disant si le harcèlement est le fait d'une personne abusant de l'autorité qui lui confère ses fonctions, l'emprisonnement sera de 3 mois à 1 an et l'amende de 20 000 à 200 000. Ce qu'il faut euh, tirer mhm. de cet article, c'est qu'il y a une, une, sorte de circonstance aggravante pour les supérieurs hiérarchiques. C'est-à-dire, quand on constate que entre le bourreau et la victime, il y a un lien de subordination, il y a la hiérarchie, mhm. ça c'est vraiment une circonstance aggravante. Alors ça, ça, veut dire vous êtes prévenus, les harceleurs. <laughs> Là, voilà. Donc c'est pourquoi moi, en tant qu'avocat, moi je suggère et je propose au ministère euh, de créer, comme j'ai vu dans certains organismes, de créer des, des, des comités à l'interne dans les services chargés de la déontologie, de l'éthique, de la protection des mœurs. Donc, ils seront des gendarmes, des policiers internes à ce service qui seront assermentés, soumis au secret eh, professionnel, donc, ou des les potentielles victimes qui sentent le danger venir dans leur service, ils vont approcher ces services, donc pour tuer le danger dans l'œuf, avant même que ça ne soit euh, trop tard. Le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant devrait, devrait être dans le cadre de la prévention. parce que la justice se reprime. C'est pour que, pour réprimer et dissuader, donc, euh, c'est une suggestion au ministère, il peut prendre en charge cette prévention avec ses partenaires et les ONG. Alors, vous avez parlé, euh, oui, Madame Tamponé Safiatou veut, répondre, allez-y. c'est pour, euh, par rapport à ce que Maître vient de dire. Mhm. Maître euh, Ould Mustafa Saïd. Oui, mhm. au cours d'une conférence, ce sujet a été évoqué. Et on dit que quand les femmes portent plainte, on demande des faits. Des preuves. Des preuves. Mhm. Et malheureusement, parfois, il n'y a pas de preuves. Et elles sont obligées de se rétracter pour abandonner. Alors, je, euh, Madame il euh, Iliassou Awa Oui, c'est normal parce que quelque chose qui s'est passé entre deux personnes. Vous avez suivi l'intervenante. Elle était seule avec lui mhm. dans son bureau. Qui peut prouver Elle a eu de la chance peut-être. Elle a eu de la chance, même si l'acte s'est produit. Et qu'on te dit d'aller amener deux témoins. Les témoins sont où Il n'y a pas eu de témoins, vous êtes deux dans la salle. Peut-être un enregistrement aujourd'hui, maître. Donc, euh, moi, c'est pour cela que vous je vous ai dit, quel qu'en soit comment vous allez prouver, c'est seulement au juge de vous comprendre. Alors, maître veut, veut, rebondir parce que je crois... Pour le problème de preuve, d'abord, moi, je conseille même aux femmes, si elles n'ont pas de preuve, de ne pas porter plainte. Pourquoi C'est un couteau à double tranchant. Quand tu portes plainte contre une personne, devant le procureur de la République, si le procureur de la République estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, que c'est léger, que lui n'a pas assez d'éléments, assez d'indices, il va classer sans suite. Quand il classe sans suite, la personne contre qui tu as fait la plainte, elle se réserve le droit de porter plainte contre vous pour dénonciation calomnieuse. Maintenant, pour la preuve, c'est simple. Hein. La loi, on dit la preuve se fait par tout moyen. Hein. On est en matière pénale. Pas besoin de témoins et tout ça. Tout indice, il appartient maintenant aux juridictions compétentes d'apprécier les messages, les, certains comportements. Moi, vraiment, je, je pense que s'il y a des faits, on peut l'éprouver. Alors, tout alors moi, je vais vous compliquer la tâche, maître. Je suis euh, donc une cliente, je viens vous voir. Et, mais ça, c'est parce que beaucoup de femmes de consorts euh, m'ont soumis la question. Donc, c'est pas moi. il vient vous dire, écoutez, je suis dans un cas d'harcèlement sexuel. Comment Voilà, je suis intimidée. Il y a une sorte d'exclusion. Ça veut dire que le patron n'a jamais dit, n'a jamais fait des avances. Mais ce sont lui de travail, elle est opprimée. Elle est moralement torturée. Elle est... Elle est exclue et chaque fois le patron fait des faux rapports sur elle. Voilà. et c'est des choses comme ça. Mais dans ce cas, comment la femme peut porter plainte vous savez, ce qui est compliqué dans ce que vous venez de dire, on risquera de rester au stade de, ce qu'on appelle la présomption et la supposition. D'accord Et la justice ne peut jamais engager une procédure ou bien condamner sur la base. Même si c'est prouvé qu'il crée un environnement de travail hostile à cette femme. Effectivement, c'est ce qu'on peut appeler torture morale. Elle va te torturer. C'est pourquoi, moi, c'est pour des cas pareils que j'ai suggéré au ministère de créer à l'interne mhm. des comités, parce que je les ai vus dans, certains dossiers que j'ai eu à traiter dans la pratique. Mes clientes, les victimes, travaillaient dans des organismes internationaux. Les concernés n'étaient même pas de nationalité nigérienne, mais les femmes étaient des nationalités nigériennes. Mais j'ai constaté que dans ces organismes, ils étaient très bien organisés. Il y avait des cellules internes. On a dépêché des missions de l'Allemagne, de l'Angleterre, qui sont venues, oui, et investiguer avant même de me livrer le gars pour me dire voilà, maintenant c'est bon, tu peux le prendre et l'amener à la justice. Avec preuve à Avec preuve à Ils ont fait une enquête interne. Même les mails, ils ont fouillé même les mails du monsieur qu'il échangeait avec avec la victime. Donc les services doivent être organisés. Voilà. ça. Moi, je pense que la hiérarchie est mieux placée pour aider les, les, présumées victimes à avoir des moyens. Et si c'est la hiérarchie qui est coupable. Bon, c'est juste ça pour encore plus compliquer le sujet, mais nous allons évoluer rapidement. Il ne reste plus beaucoup de temps. Que faut-il faire pour lutter contre le harcèlement sexuel Et ça, nous sommes dans la troisième partie de notre débat, donc la fin. Euh, Salamatou Kadri a posé la question à des responsables de médias, des hommes. Voici leur réponse. Depuis en tout cas que je suis responsable euh, au niveau de la radio, on n'a pas connu de cas de harcèlement sexuel. Nous sommes une petite équipe. Euh, d'ailleurs, en majorité, il y a des femmes dans cette équipe, toujours travailler euh, comme des, entre confrères et consoeurs euh, dans une ambiance euh, vraiment confraternelle et familiale, je dirais. Mais ça peut venir, c'est sûr, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Hein. Sauf qu'il faut nécessairement aussi avoir une charte dans les médias contre justement seulement sexuel. Et maintenant, si ça se présente, euh, bon, c'est sûr qu'on aura à prendre des sanctions contre la personne qui a fait le premier pas. Quoi. Mais en amont, il faut vraiment sensibiliser à l'interne pour que les gens se respectent les uns les autres, qu'ils comprennent que c'est le lieu de travail et que s'ils ont envie de faire certaines choses, ils n'ont qu'à le faire en dehors de ce cadre-là. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle euh, basée donc au Niger. Ça, vous le savez, puisque vous êtes au studio Kalangu actuellement. Nous avons aussi voulu avoir les explications d'une des responsables de la Fondation Hirondelle basée donc en Suisse, précisément à Lausanne. Celle que vous allez entendre, c'est Caroline 8 Whitlam, Whitman. Elle est la directrice générale de la Fondation Hirondelle. J'ai évolué dans des environnements professionnels aux États-Unis et en Suisse où j'ai eu des collègues, des amis, des femmes autour de moi qui ont été victimes. Et les statistiques, en tout cas euh, dans les pays où il y en a, montrent que les cas de harcèlement sexuel au travail sont nombreux. Est-ce qu'au niveau de la Fondation Hirondelle, des dispositions sont là en cas d'harcèlement sexuel pour vraiment euh, prendre des sanctions ou essayer de réparer le tort qui est fait à la femme, à la victime oui, on a des dispositions à travers notre code de conduite, mais on a surtout une mission et des valeurs qui sont d'être euh, dans le respect, dans la dignité humaine, dans l'égalité euh, des, personnes. Donc déjà, travailler à la Fondation Hirondelle, c'est adhérer à des valeurs, à une charte, à un esprit qui est que on se respecte les uns les autres, on respecte nos différences, donc on respecte les hommes, les femmes. Pour moi, toutes les personnes qui travaillent à la Fondation Hirondelle, je veux qu'elles partagent cet état d'esprit et qu'elles le vivent, qu'elles l'incarnent. Après, donc on a un code de conduite qui fait référence à toute forme d'abus, des abus de pouvoir, des harcèlements sexuels, euh, de la fraude, de la corruption, et on a une tolérance zéro par rapport à ces abus de pouvoir. Mhm. Et en particulier sur la question du harcèlement sexuel, on a donc euh, un code de conduite qui a été euh, validé il y a un an maintenant. Donc c'est une décision du conseil de fondation, c'est porté par la direction. On doit maintenant s'assurer que chaque projet, chaque employé est formé et sensibilisé sur ce code de conduite. Mais déjà aujourd'hui, il a été partagé et puis il y a dedans les mécanismes, déposer une plainte. Les personnes peuvent directement parler à leur supérieur ou à la responsable d'IRH ou à quelqu'un avec qui se sentent en confiance. Si euh, le problème vient du supérieur et qu'on ne peut pas en parler, il y a une adresse email mail hein, qui est disponible pour que les personnes euh, posent leurs problèmes, qu'on puisse évidemment vérifier. Mhm. On doit vérifier les faits. Et puis, euh, si les faits sont avérés, il y a toute une procédure de, sanctions qui peuvent aller euh, évidemment jusqu'à la, hum, le licenciement de, la personne qui aurait fait les, les abus, mais aller vers une plainte euh, selon la loi et, le cadre juridique du pays, une plainte pénale. Alors, maître euh, Ould, euh, Mustafa Saïd, nous avons compris que vous avez déjà fait une proposition en ce qui concerne la création de comités, donc au sein du ministère de la promotion de la, de la femme et de la protection de l'enfant, y a-t-il une autre proposition Parce que là, nous sommes à la fin de ce débat, nous sommes en train donc d'essayer euh, de recueillir les différentes propositions ou les dispositions à prendre pour lutter contre le harcèlement sexuel de la femme sur son lieu de travail. Euh, je peux dire que c'est la seule proposition. Pourquoi Parce que c'est l'aspect qui peut échapper à la justice. À défaut de ça, il n'y a que la justice. Si les faits sont avérés, il y a la preuve, comme l'a dit Madame la directrice. Oui. La justice prend en charge. Donc moi, je pense que là, il n'y a pas de problème. Mais ce qui m'inquiète et que j'ai fait l'autre proposition, c'est effectivement des cas que vous avez évoqués dans lesquels c'est un peu flou pour un début. Maintenant, que de laisser continuer les choses et aller commettre l'irréparable, vraiment, je pense que les deux options-là, ce comité dans les services qui permet aux euh, potentielles victimes qui se sentent un peu en danger d'alerter d'alerter ces, ces comités. Et maintenant, c'est les deux options-là. N'en cherchons même pas une troisième option. Alors donc c'est bien la charte de bonne conduite, le code de bonne conduite, comme le cite euh, la directrice de la générale de la Fondation Hirondelle. Mhm. Et aussi, euh, euh, on a eu donc un témoignage d'un responsable alternatif qui aussi parle d'une sorte aussi de charte de bonne conduite pour les mhm. médias. Tout ça, c'est bon. Madame Iliassou, Awa Issoufou, avez-vous donc une autre proposition Oui. Moi, la proposition, c'est de commencer à faire des campagnes de sensibilisation avec les responsables des centrales syndicales. Donc, euh, les syndicats, les représentants, les délégués des travailleurs doivent être sensibilisés pour qu'ils prennent en compte que vraiment le cas du harcèlement sexuel dans les milieux de travail, maintenant, les cas sont en train de se euh, multiplier. Et donc, pour arrêter ces fléaux, il faut qu'on fasse une campagne de sensibilisation à ces délégués. À l'endroit des, responsables des services. D'abord, des responsables des services et des délégués du personnel. Et qu'ils puissent eux-mêmes proposer des solutions alternatives. Parce que deux fois, quand vous allez aller passer par un comité. C'est vrai, le ministère peut faire. Donc, on, Retient on, on, retient justement Madame euh, Iliassou Awa Issouf, donc, euh, euh, donc la présidente de l'ONG, t'en a dit que il faut aussi impliquer les délégués des, différents services dans cette lutte. Alors, la dernière intervention sera celle de Madame Tamponi Safiatou, directrice de la promotion du leadership féminin au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. J'espère que vous avez noté la proposition de Maître Ould Salem Mustafa Saïd. J'ai en compte <laughs> sa proposition, oui. mais ce n'est pas seulement au niveau de notre ministère, c'est dans tous les services. Bien sûr. C'est que j'ai cru comprendre. Oui, mais le, ministère quand même fait un grand rôle aussi, je pense. Si, si, je me permets de donner. Ce, sera, Le mystère sera une sorte de courroie de transmission pour les autres. Pour les autres ministères, oui. Sinon, vraiment, moi aussi, j'encourage euh, la dénonciation et l'application effective des textes. On a, on a, oublié un aspect. Parmi eh, les catégories, là, l'embauche, au moment de l'embauche, c'est là-bas, il y, a aussi un véritable problème là-bas. c'est l'embauche, la promotion, l'avancement, tout ça là qui fait Surtout les opportunités ben. d'avoir un marché. Oui. C'est tout, c'est les cas qui peuvent. Donc c'est à partir de là, si la femme accepte, c'est fini. Ah oui, c'est fini. Je vous ai demandé d'impliquer les délégués. Quand on dit délégué, moi j'étais membre de la Commission nationale de dialogue social oui. avant, donc et je fus membre de la Commission nationale des droits de l'homme mhm. au, Niger. Donc en tant que commissaire de ces deux structures, mhm. j'ai beaucoup beaucoup de choses. Mais c'est quelque chose que nous nous gardons confidentiellement nous ne pouvons pas. C'est des cas Alors on a confidentiels qu'on a traités. Mais les cas des délégués, c'est quand on vous dit délégués, même dans les marchés, il y a des délégués. On comprend tout ça. il faut <laughs> tous les C'est très important, les, délégués. très important. Nous sommes donc pratiquement à la fin de, cette émission. Et puis, nous, nous retenons voilà, que le harcèlement sexuel des femmes euh, sur le lieu de travail au Niger est donc euh, une réalité. Les femmes harcelées ne dénoncent pas de peur de perdre euh, leur travail. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut donc euh, créer, ça c'est une proposition euh, de maître Ould Salem Mustafa Saïd, avocat à la cour, voilà, donc de créer des, des comités chargés de bonnes mœurs, de la déontologie, etc au sein du ministère euh, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant dans tous les services. Madame donc Iliassou Awa Issouf, présidente de l'ONG Tanadi, propose donc d'impliquer les délégués, tous les délégués des services, euh, dans le cadre de la sensibilisation, donc de les sensibiliser quant à ce phénomène qui prend de l'ampleur euh, ou qui est grandissant dans notre société mais les témoignages aussi des uns et des autres nous amènent à, dire que les femmes doivent dénoncer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ne pas se taire, ne pas accepter. Nous étions en compagnie de Madame Iliasso Awaiso, présidente de l'ONG Tanadi, une organisation qui lutte contre la pauvreté euh, de la femme, des droits de la femme et de la migration. Madame Tamponé Safiatou, directrice de la promotion du leadership féminin au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Et le seul homme, maître euh, Ould Salem Mustafa Saïd, avocat à la Cour, secrétaire général de l'Association des jeunes avocats du Niger. Merci à vous, chers invités, d'être venus. À vous, auditeurs, de préférer les programmes de Studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain à partir de 17h sur nos 45 radios partenaires. Envoyez-nous vos témoignages et vos propositions en message vocal par WhatsApp au 80 06 88 54. Pour ma part, c'est un réel plaisir euh, de partager ce temps d'antenne avec vous. Euh, Diallo Maria Makenda pour vous servir à la partie technique Senisaka. Le loti de ce soir porte sur la prise en charge euh, de la diarrhée chez l'enfant. Bonne écoute à vous. Espace femme. Espace femme. Espace femme. Espace femme. Espace femme. Allah, qu'est-ce que tu me veux Hein J'ai tout fait. Tu refuses même le sein, mon bébé. Je n'en peux plus. Bani, qu'est-ce qui se passe, Myriam Je t'entends parler toute seule. Ah, hmm. c'est toi, Hadi. Tu sais, je ne comprends rien, mon enfant. Ça fait deux jours que ses selles sont plus fréquentes. Et il pleure. Il n'a envie de rien. Dis-moi, Myriam, les selles de ton enfant sont aussi moins formées et plus liquides qu'à l'habitude Oui, c'est bien cela. Comment tu sais ça Attends, il a aussi la fièvre, une perte d'appétit et des vomissements. Hum, ajoute les maux de ventre, la présence de sang dans les selles. Voilà, c'est ce que je croyais. Il a les symptômes de la diarrhée. Hum? Mhm. Mais je lui ai donné des flagettes, ma chérie c'est resté sans effet. Un peu de vinaigre aussi. C'est pareil, sans effet. La diarrhée continue toujours. Là, je ne sais vraiment plus à quel saint me vouer. Normal. <laughs> Tu fais de l'automédication et c'est déconseillé. Myriam, voici ce qu'il faut faire dans un premier temps. Dès les premiers signes de diarrhée, celle un peu liquide que d'habitude, comme ceux qu'a ton enfant, ne panique pas. Continue son alimentation habituelle et surveille l'évolution de la diarrhée. Si la diarrhée est aiguë, mhm. compense les pertes en eau et en sels minéraux avec les boissons contenant du sel et du sucre. Ces mélanges sucrés-salés sont acceptés facilement par les nourrissons. Mhm. Mhm. Par contre, les enfants plus grands les apprécient moins à raison de leur goût. Dans tous les cas, il ne faut jamais hydrater un enfant avec de l'eau pure car il pourrait mal le tolérer. C'est aussi simple que ça Eh oui Ensuite, conduis ton enfant dans un centre de santé intégré CSI. Là-bas, la diarrhée pourrait être prise en charge par un agent de santé. Alhamdulillah, Hadi, j'ai enfin trouvé la solution après deux jours de galère. Je cours vite au centre de santé de mon quartier. Eh Hadi, merci mille fois. FM.